le forum du studio le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio 18h passé de 17 minutes en Niamey, les programmes du studio Kalangou se poursuivent. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro du forum du studio Kalangou les émissions du studio Kalangou que vous recevez grâce à une vingtaine de radios partenaires un peu partout à travers les huit régions du Niger. Ce soir, nous abordons ce forum avec le bras de fer qui oppose les commerçants qui occupent les kiosques se trouvant aux alentours du grand marché de Niamey et les autorités de la région. Ensuite, les enseignants contractuels de la région de Dosso qui ont organisé un sitting ce mardi à la déventure de la PRI e pour réclamer quatre mois d'arriérés de pécula. À suivre également l'analyse du sociopolitologue Dr Soule sur la situation sociopolitique actuelle du Niger. Les actions de déguerpissement annoncées par le gouverneur de la région de Niamey, Hamidou Garba, le 20 août dernier se poursuivent. Dimanche dernier, euh, ces actions ont occasionné un affrontement entre commerçants du grand marché et forces de l'ordre. Euh, pour euh, les commerçants, le délai qui leur est imparti est insuffisant. Ils affirment qu'en plus de cela, aucun autre endroit ne, ne leur a été indiqué pour leur réinsertion en toutes choses qu'il dénonce. Assoumana Moussa est le délégué du cinquième quartier. Il nous explique, il est au micro de Rukayatou Abdraman. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Présentez-vous. Je m'appelle Moussa Assouman. Je suis délégué du quartier 5. Est-ce que vous pouvez nous donner les raisons qui ont conduit à cet affrontement de dimanche Le dimanche passé, ce qui s'est passé est déplorable pour nous tous mais c'est pas un truc qu'on a voulu faire nous aussi c'est arrivé comme ça mais il y a une façon de procéder pour éviter ce genre d'incident quelle est cette façon la façon, c'est de ne pas se présenter devant des gens un peu en colère, mais vous pouvez leur faire des signes à leur absence. Une façon de mettre des croix de mettre des étiquettes sur leurs boutiques. comme on a l'habitude de constater au moment où la DGI fermait les boutiques. Ils viennent très tôt le matin vers 5h, 6h. Ils mettent leur euh, autocollant. Dès que tu viens, tu sauras automatiquement ce qui s'est passé. Donc ça veut dire que les commerçants ne sont pas opposés au déguerpissement. On s'oppose c'est pas un truc que nous voulons parce que on n'a pas où se recasier encore. Mais si tu ne peux pas avoir ce que tu veux, c'est une obligation pour toi. Tu vas partir parce que tu n'as pas 10 000 solutions. Actuellement, quelle est la situation avec euh, ces commerçants Dans quel état d'esprit ils sont que le déguerpissement continue Vraiment, on est en colère. C'est un truc euh, qu'on ne veut pas parce que il faut se mettre à la place de ce même gars qu'on veut dégarpir. Que tu sois ministre ou président ou qui que tu sois, le jour qu'on te dit qu'on va prendre ton truc, Qu'est-ce que tu vas devenir Qu'est-ce que tu ressens toi le jour-là et les autorités ont signifié que lors des attributions de ces magasins ou de ces kiosques, c'était signifié que c'était provisoire. Toutes les choses sont provisoires. Même euh, le, fait d'être un chef d'État, c'est provisoire parce que c'est un truc momentané. C'est un temps que tu vas faire et partir. Mais le jour que tu vas partir, qu'est-ce que tu vas ressentir le jour de ton départ Parce que tu es sûr de toi que quelqu'un va te remplacer le jour-là. Et on sent dans votre voix que euh, euh, vous êtes commerçant, donc je pourrais peut-être dire que la majorité des commerçants commerçants à travers ce que vous venez de dire ne sont pas peut-être prêts à partir. Peut-être qu'il y a des affrontements auront encore lieu. On ne dit pas qu'il y aura des affrontements. On ne peut pas le penser même, mais c'est un truc qui n'est pas bon. À cette date, dites-nous exactement euh, qu'est-ce qui sera fait. Dans quel état d'esprit sont les commerçants je peux vous dire que vraiment les commerçants sont en colère. Ça va être difficile de les déguerpir Il n'y a rien de difficile si l'autre pouvoir veut exercer quelque chose sur son territoire. Pacifiquement, on peut partir, mais pas euh, faire ça avec une force. Il ne faut pas t'afficher en face de celui que tu as mis en colère. Mais maintenant, vous demandez un délai plus long Vraiment, si on peut avoir le délai un peu après la fête, peut-être ça peut nous aider parce qu'il y a des gens qui ont fait des commandes qui arrivent. Donc, même si, tu n'as pas pu faire écouler tes effets là, tu n'auras même pas de frais de recasissement dans d'autres boutiques ou bien quelque chose comme ça, quoi. C'est dur, vraiment. Merci beaucoup. De rien, madame. C'était la Assoumana Moussa, il est délégué du 5e quartier du Grand Marché de Niamey. De son côté, euh, selon le gouverneur de la région de Niamey, Hamidou Garba, euh, toutes les dispositions avaient été prises afin d'informer en long et en large les commerçants. Hamidou Garba soutient que des places ont été indiquées dans certains marchés et que des, facilités ont même été trouvées pour leur réinsertion. En conséquence, le gouverneur de la région de Niamey, Hamidou Garba, affirme euh, que le programme de dégarpissement prévu sera nous avons été informés de manière surprenante qu'en début d'après-midi, le dimanche, au moment où le directeur général de la Socogem a pris soin de notifier aux occupants des parkings du Grand Marché, donc euh, une décision de quitter les lieux au plus tard avant le 5 septembre 2016. C'est en ce moment-là qu'un groupe de commerçants avait cru devoir semer le trouble. Alors là, conséquemment, eh, nous avions quand même euh, pris les dispositions pour euh, rétablir l'ordre public qui a été perturbé par ces commerçants-là. Quand vous dites un groupe de commerçants, ça veut dire que c'est un groupe insignifiant, c'est ça J'en saurais le dire parce que nous sommes en train de faire euh, les investigations nécessaires. Il y a eu des interpellations. Nous sommes en train de faire le regroupement de toutes les informations pour savoir qu'est-ce qui a suscité quand même ce mouvement. Quoique nous savions déjà que leur motivation, c'était la notification qui, était en train d'être faite. Mais nous avons aussi d'autres informations que nous sommes en train de vérifier. Et au moins, opportun, on va les porter à la connaissance du public. Est-ce qu'il y a eu des arrestations, monsieur le gouverneur Oui, euh, au moment où je parle, je pense que nous avons interpellé 11 personnes. Nous continuons à chercher certains meneurs qui ont quand même semé le trouble. Donc, euh, il va de soi dans le rétablissement de l'ordre public que quelqu'un qui, est à la base de ce, trouble-là, il faut bien qu'il vienne répondre euh, sur ses motivations parce que rien n'explique ce qui s'est passé le jour-là. Une simple notification ne devrait pas susciter quand même des troubles au point où nous étions obligés d'utiliser quand même des moyens comme les grenades lacrymogènes pour pouvoir euh, ramener l'ordre public. C'est pas, c'est pas bien. Ça veut dire que vous avez un peu de regret quand même. Vous savez, chaque fois que nous intervenons, nous sommes, nous regrettons parce que il y a toujours ce qu'on appelle les dégâts collatéraux. Il y a des gens qui n'ont rien à voir dans cette affaire-là et qui, qui payent pour ça. Certains commerçants disent qu'ils n'ont pas eu le temps de se préparer à ce déguerpissement, qu'ils n'ont pas aussi assez de temps pour pouvoir quitter les lieux. Ça veut dire qu'au préalable, pas de sensibilisation par rapport à cette situation. Que répondez-vous euh, donc à ces commerçants Vous savez, euh, au Niger, chaque fois les gens sont dans les perpétuels défis à à l'État parce que c'est l'État qui a été faible pendant très longtemps. L'État n'existait pas. Pourtant, les lois et règlements de la République sont là. Aucune loi, aucun décret n'a encore été abrogé. Ils sont toujours en vigueur. C'est toujours ce genre de comportement que nous avons. J'ai pas été informé. Ah, je ne savais pas. on dit nul n'est censé ignorer la loi. Je pense que le 20 août, nous avions annoncé quand même qu'il y a une série d'actions que nous allons entreprendre dans le cadre du rétablissement de, l'ordre dans la ville de Niamey. Donc, personne ne peut dire qu'il n'est pas informé. Mais seulement c'est que, bon, puisqu'il ne croit pas, il pense que euh, ça ne va jamais s'exécuter, puisque, bon, fort certaines relations ou bien certaines interventions, on, va euh, arrêter l'opération en pleine exécution. Et or, ce qu'ils doivent comprendre, c'est que la volonté s'est exprimée à tous les niveaux et que cette, ces opérations, nous allons les mener selon les calendriers bien établis. Donc, depuis le 20, nous avons fait ce que nous devons faire par la communication. Après le 20, nous avons remis des notifications aux impactés. C'était au moment où on devrait leur donner ce papier-là qu'ils ont dit que non, ils ne sont pas d'accord. Ils ne sont pas d'accord par rapport à quoi Par rapport à quoi Puisque l'espace qu'ils occupaient, ils savaient très bien dès les premières heures où ils occupaient cet espace-là que c'est de manière précaire et révocable. Par conséquent, ils savent très bien que chaque fois que l'État a besoin de son espace, il le reprendra. Donc, mais je vous dis que c'est parce que encore nous sommes des Nigériens, c'est parce que nous sommes euh, ces démocrates-là qui pensent que nous n'avons que des droits, les devoirs envers la nation, personne n'en a. Donc, il n'y a que le gouvernement qui doit mouiller le maillot. Et le citoyen, lui, n'a que la jouissance. Gouverneur, par rapport à cette situation, vous avez rencontré les commerçants, je parle de, ce qui s'est passé le dimanche, vous avez rencontré les délégués, vous avez rencontré qui Je pense que le, le 23 août, j'ai eu ici une rencontre avec les délégués des commerçants, ceux de l'intérieur comme ceux de l'extérieur, en présence de tous les responsables de la, de la région. Nous avions beaucoup échangé et j'ai aimé l'échange qu'il y a eu entre nous. Et puisque quand on s'est séparés, en tout cas moi, j'ai pu lire sur leur visage une satisfaction. Ils, ont compris et ils étaient prêts à nous, nous soulager par rapport à cette activité-là. Puisqu'on a, on a soulevé tous les problèmes. Le seul problème qu'ils nous ont posé, c'est que les, les places qu'on leur a indiquées dans les autres marchés, ils ont eu des informations que les gérants de ces marchés-là vont certainement monter les enchères. Mais que nous, en tant qu'autorité, d'intervenir pour que les gérants ne puissent pas augmenter euh, les, coûts de, location des, boutiques. Et c'est ce que nous avons fait ce lundi. Hier, on a quand même euh, parlé avec les gérants des marchés pour leur demander vraiment euh, d'accompagner le processus pour faciliter la tâche à ces déguerpis afin qu'ils puissent se reloger dans les, différents marchés. Et les gérants nous ont fait la promesse qu'en tout cas, ils vont accorder toute les faciliter à ces commerçants pour qu'ils puissent intégrer les marchés. Donc il n'y a pas une action musclée qui n'avait pas été préparée ou qui n'avait pas de solution. Tout ce qui se trouve être, eh, en tout cas les cris de cœur des commerçants, nous avons en tout cas pris des dispositions pour qu'ils puissent euh, trouver des solutions. Par rapport à ce que vous venez de dire, nous avons rencontré des délégués qui ont dit qu'aucune place n'avait été indiquée par les autorités euh, pour vraiment euh, leur donner la possibilité de se réinstaller. Vous savez, c'est pour éviter effectivement ces, remises en cause là que nous avions en tout cas filmé toutes les rencontres. Donc je vous renvoie donc aux images du 23 lors de notre rencontre où nous avons quand même donné détail par détail, tous les détails et marché par marché le nombre de places libres. Et également, nous leur avons donné la possibilité d'aller chercher eux-mêmes. S'ils trouvent un autre terrain qu'ils pensent pouvoir être utilisé pour, euh, pour leur commerce, ils n'ont qu'à nous faire la proposition et nous allons voir la situation. Donc, mais s'ils ne veulent pas entendre, effectivement, ils n'entendront jamais. Quelles sont les dispositions que vous preniez pour que la situation, je veux dire, les affrontements qui ont eu lieu le dimanche ne se répètent pas Bien, je pense qu'ils l'ont bien compris. Ils ont compris parce parce que je suis très heureux d'avoir appris qu'ils ont commencé à défaire leur installation, ils sont en train de prendre le bagage, ils, ont bien compris qu'ils euh, sont de l'illégalité et par conséquent, à partir du moment où ils ont été notifiés, donc ils doivent partir. À part cette promesse, avez-vous une autre euh, façon, leur faciliter, je veux dire, euh, leur réinstallation Moi, le seul conseil que je leur donne, c'est qu'il faut bien qu'ils collaborent il faut qu'ils laissent ces endroits-là. Ces endroits qu'ils occupent ne sont pas des endroits de commerce, c'est des parkings, c'est des servitudes pour le grand marché. Et parce que le grand marché, c'est une infrastructure publique qui doit recevoir et les commerçants et la, population. Donc nous, en tant qu'autorité, nous sommes obligés de rétablir la justice. Et ils doivent le comprendre ainsi, ils doivent collaborer pour qu'on n'arrive pas à l'usage de la force. Hier, vous avez vu, de manière vraiment honorable, de manière vraiment très bien, autour du siège 1 quand on était parti, pratiquement il n'y avait rien. Ils ont tout pris, ils sont partis. C'est une très bonne chose. Vraiment, je pense que nos frères, nos amis euh, qui sont dans, cette situation euh, vont réfléchir quand même d'ici le 5 euh, pour partir. Est-ce qu'un délai plus long ne sera pas accordé si les commerçants vous le demandent Mais pourquoi est-ce qu'on doit rallonger les délais encore moi, je pense que euh, c'est une, une, activité, c'est, enfin, c'est une action qui, qui, doit être saluée par tout le monde, qui doit être accompagnée par tout le monde. Je pense que même si on tire sur le délai dans tous les cas, on va y arriver. Donc, autant le faire. Maintenant, je pense que il serait mieux pour eux euh, de se réinstaller avant quand même euh, l'éveil de fête où il y aura beaucoup de, de troubles de commerce, c'est tout. Monsieur le gouverneur, merci beaucoup. C'était là le gouverneur de la région de Niamey, Habidou Garba. Toujours en ce qui concerne le déguerpissement des commerçants du grand marché, le gestionnaire qui est la, la Socogem estime que son rôle n'est que celui du médiateur entre les deux parties, c'est-à-dire le gouvernement et les commerçants. Écoutons à cet effet Boubacar Amadou qui est le directeur technique de la Socogem. Bonjour monsieur. Bonjour. Présentez-vous. Je m'appelle Boub Karamadou, le directeur technique de la SOCOEM. Aujourd'hui, nous sommes là pour vous parler du, du du grand marché et aussi euh, de tout ce qui concerne euh, les commerçants, la procédure, ce qui a eu lieu et ce qui va se passer dans les jours à venir. On, sait que dimanche, il y a eu euh, des affrontements ici. Quelles est donc les dispositions qui ont été prises Le problème, c'est-à-dire, nous avons qu'informer nos clients des dispositions à prendre pour le dégât des kiosques. Actuellement, on a eu donc à distribuer ces, lettres et c'est pendant cette distribution qu'il y a eu donc des intercalations entre la police et les, commerçants. Et dans ces lettres, euh, qu'est-ce qui était écrit C'est moi de les informer à dégager tout ce qui se trouve au niveau des dans les kiosques pour qu'on puisse dégager ces kiosques sans qu'il y ait préjudice. Ce sont des kiosques qui appartiennent à la Socogem, mais les produits leur appartiennent. Maintenant, il faut vider donc ces kiosques pour qu'on puisse donc passer à l'opération sans qu'il y ait vraiment de problème. Est-ce qu'au préalable, vous avez peut-être rencontré ces commerçants pour une sensibilisation et qu'est-ce qui s'est passé Les sensibilisations, je peux dire que ça, eux mêmes ils en savent. Chaque fois, ils en parlent. Que vraiment, on ne sont pas bien installés. depuis des années. Ben, si on les a laissés donc continuer à faire leur, leur commerce, c'est uniquement donc en attendant qu'il y ait le temps opportun pour passer à l'opération. Donc maintenant, c'est le jour J. Il faut qu'on les informe pour comment ils prennent des positions. Donc ça veut dire que lors euh, de l'attribution de ces kiosques, il a été bien signifié que c'était pour un moment pas de façon définitive. ça ah, ne peut pas être euh, définitif parce que si a réussi, ça a été toujours marqué, ce sont des attributions provisoires et même au sein de la communauté urbaine de Niamey, il y en a plein. Il y en a des endroits où les kiosques ont été donnés, mais ça n'a pas été définitif. Quand vraiment la communauté urbaine a besoin de son lieu pour faire des travaux ou bien pour euh, passer à l'urbanisation, on est obligé vraiment de passer d'informer et de faire dégager les gens. Ils ne sont pas les seuls. J'ai vu même des kiosques qui étaient donc en matériaux définitivement construits. Ils n'ont pas tellement riposté à faire du bruit. Donc, nous sommes euh, le pays appelé à, se développer. On ne peut pas rester toujours éternellement sur le même endroit. Autant avant, Niamey n'était pas comme ça. Et maintenant, ça ne fait que progresser. Et maintenant, c'est le problème qui s'est passé, euh, je veux dire, les affrontements qui ont eu lieu le dimanche. Maintenant, tout est rentré dans l'ordre. Vous avez rencontré des commerçants ou les délégués ah, nous n'avons pas rencontré de commerçants ni de délégués. C'est une affaire vraiment de grande envergure. Vraiment, on ne peut pas prendre cette responsabilité parce que c'est une opération de grande envergure qui, qui, concerne toute la communauté de Niamey. Donc, euh, nous, quand il y a eu les réunions au lieu du gouvernorat, c'est pas uniquement la Sokoja. Il y en a plein, tous les commerçants, tous les, la plupart des gérants des marchés, ils ont, ils ont participé. Peut-être ici, il y a des récalcitrants, donc euh, là, vraiment, c'est une affaire donc euh, nous ne pouvons pas contenir, puisque vraiment, c'est plus grand que nous, parce que ça concerne vraiment toute la communauté urbaine de Niamey. On ne pouvait pas nous retirer pour donner des arguments. Mais maintenant, ça va, il y a quand même le calme. En tout cas, sur le terrain, nous, on n'entend plus rien. Il y a la police qui est là, la gendarmerie est là. Les dispositions étaient prises. Le gouvernement a bien intervenu. Il dit que vraiment, ce n'est pas uniquement le grand marché. De tous ceux qui vraiment s'en opposent, il y aura des problèmes avec eux. Merci beaucoup. Je vous en prie. Vous venez là d'écouter Boubacara Amadou, qui est le directeur technique de la Sokogem. autre chose à présent dans ce forum. Ce matin, les enseignants contractuels de la région de Dosso étaient devant la PRI pour un sitting afin de réclamer leur pécule qui est aujourd'hui de quatre mois. Leurs efforts est resté vain car le payeur ne les a pas reçus. Le coordonnateur du SINASEB de Dosso assure qu'ils ne, sont, qu'ils ne vont pas rester les bras croisés. D'autres actions suivront de demain. Adamou et au micro de Daouda Hassan. Les autorités n'arrivent pas toujours à nous donner des solutions par rapport à, nos justes et légitimes revendications. Aujourd'hui, nous sommes à quatre mois et personne ne nous dit un langage franc par rapport à cette situation. Aujourd'hui, nous avons décidé d'aller au niveau de, la PRI pour faire un sitting, pour euh, demander aux peurs de nous dire clairement de quoi s'agit-il par rapport à cette question-là. Et quand nous étions partis, le peur euh, Bonama est parti à l'accueil euh, du, du nouveau gouverneur qui est venu. Comme c'est la fête ici, il se retrouve, il est parti là-bas. Et à son retour, on l'a entendu, on a fait un sitting jusqu'à 13 heures, il était revenu. Le, bonhomme dit qu'il n'a pas rendez-vous avec nous, alors que c'est, c'est, en toute légalité qu'on est parti faire le sitting. Ils, il viennent de nous dire que c'est comme s'il n'est même pas au courant de la situation des pécules. Donc, euh, qu'à cela nous tienne. Donc, aujourd'hui, nous allons les obliger à revenir sur des meilleurs sentiments et à payer les arriérés de pécules. Nous sommes à la veille de la rentrée scolaire. Déjà, ils ont acheminé les fournitures et aujourd'hui, rien n'est fait. Rien n'est fait par rapport au règlement de, la question des peuples. C'est vraiment demain, Inch'Allah, nous serons au niveau de la trésorerie parce que c'est un service public. Nous allons lui demander des comptes. Et quand il ne rend pas compte, nous allons demander son départ pur et simple par rapport à cette question. Parce qu'il se trouve dans une situation d'incapacité notoire. Donc il doit quitter ça et laisser à des gens qui peuvent régler le problème de nous régler les questions. C'était là Adamou Seydou, coordonnateur régional Sinaseb Dosso. de la politique à présent dans ce forum. Après le départ du MNSD Nassara de l'opposition politique nigérienne, beaucoup d'observateurs redoutent aussi le ralliement de l'ancien président de la République, Mahaman Ousmane, et ses partisans à la majorité présidentielle. Le sociopolitologue euh, Dr Soule Hadji, lui, pense que Mahaman Ousman et ses partisans continueront à rester à l'opposition car estime-t-il que les hommes d'État ayant en d'ambition politique ne doivent pas se ranger derrière un autre homme d'État. Docteur Soule Aji, bonsoir. Bonsoir. Le samedi 13 août dernier, le ministre de Nassara a quitté l'opposition politique nigérienne avec armes et bagages pour rejoindre la majorité présidentielle. Quel commentaire cela suscite en vous, docteur Bon, bah, je pense qu'il n'y a pas de commentaire. Ils ont fait le choix de partir euh, vers euh, la majorité. C'est un choix qu'ils ont opéré. Maintenant, il faut chercher peut-être les raisons pour lesquelles euh, ils se sont rendus armés et bagages. Mais c'est un choix d'une partie politique. Mais bien entendu, ce choix n'est pas forcément un choix qui correspond au cadre démocratique qui suppose qu'il y ait majorité et une opposition. Je crois que c'est tout ce qu'on peut dire pour l'instant. Quelles conséquences cela peut susciter au sein de l'opposition politique nigérienne Je pense que, bien entendu, avec la question du rapport entre opposition et majorité, il faut bien qu'il y ait une opposition qui soit très forte euh, pour que la majorité puisse euh, gouverner. Parce que sans une euh, opposition forte, bien entendu, la majorité risque de faire un affaire à sa tête, c'est-à-dire sans avoir de compte à rendre. Or, un, un gouvernement qui ne dira pas compte au peuple, bien entendu, et condamné à aller vers des excès, vers des abus, abus de pouvoir, vers une malgouvernance. Donc c'est tout cela qu'il faut voir comme conséquence. En fait, c'est vraiment le, on a porté un coup, pas fatal, mais en tout cas un coup sérieux, euh, je veux dire, au cas démocratique. Donc vraiment au fait que la démocratie suppose que les uns gouvernent et que les autres euh, fassent des propositions pour les remplacer, notamment des parti politiques, pour critiquer, pour interpeller, pour faire en sorte que les débats publics s'instaurent, que les questions essentielles dans la société soient prises en compte et qu'il n'y ait pas donc d'unanimisme. Moi, je pense que si beaucoup de partis politiques vont là-bas, on risque d'avoir une sorte d'unanimisme qui, bien entendu, porterait un coup fatal, à tôt ou tard, à la démocratie. Beaucoup redoutent euh, le ralliement du clan Mahmoud Ousmane, l'ancien président de la République, à la majorité présidentielle. Ah, je pense que le parti M. Nassara, dont par son président, a seulement dû déjà avertir bien avant d'aller vers la majorité donc le président du parti, euh, donc euh, Maman Ousmane, euh, qui va aller là-bas, il a déjà seulement bien avant que nous ne sachions, n'est-ce pas, il a déjà informé, peut même qu'il a proposé d'y aller et qu'il a refusé. Il est parti seul. Donc ça signifie que, bien entendu, c'est un choix souverain que MSD a fait en voulant traîner son, son allié, le parti de Ousmane, euh, donc le RDR. Euh, je pense que mon donc n'ira pas parce qu'il avait l'occasion d'aller à Seine Oumarou. Il n'a pas été. Donc il ne faut pas compter sur euh, le RDR pour qu'il rejoigne après coup, trop tard, n'est-ce pas, donc la majorité. Je pense que c'est une question qui est hors de propos qui ne se posent même pas pour Ousmane, euh, étant donné déjà l'hostilité des relations qu'il porte avec le PNDS, avec la longue histoire, vous savez, de la cooptation, euh, pour la cooptation, tout cela. Donc il y a vraiment un passif très lourd qui fait qu'il ne peut pas euh, supporter cela. Et surtout, deuxième élément, hormis donc ce refus sur le ministre Nassara, ça montre aussi que lui, il a une ambition. Parce que ceux qui n'ont pas d'ambition vont la majorité. Quand on a une ambition présidentielle, quand on est un homme d'État, on ne va pas se ranger derrière un autre homme d'État qui est pouvoir. On cherche, euh, n'est-ce pas, à faire son nid, on cherche à s'opposer, on cherche, on cherche à faire des propositions, à convaincre le peuple à ce qu'on soit peut-être porté au pouvoir. Donc moi, a seulement une ambition, lui c'est quelqu'un qui est ambitieux, ambitieux. Ce pas le cas de Céline Mourou et de ses amis qui préfèrent juste euh, partager quelques restes, quelques miettes euh, de la majorité. Et je pense que ce sera aussi qui est donc le RDR, le MS Nassara, aujourd'hui qui n'a pas de leader charismatique, qui n'a pas de, de leader présidentiel, qui n'a pas de président ambitieux. Parce que, vous vous rappelez, à tous ces chefs d'État qui sont venus avec des ambitions. Vous comprenez, n'a jamais été quelqu'un qui a participé à quelqu'un pouvoir. Il est toujours resté à l'écart. c'est la même chose. Il n'a jamais été quelqu'un qui a partagé, participé voilà, à un pouvoir. pourquoi Parce qu'il avait des ambitions. Donc c'est l'ambition qui fait cela. Je pense que c'est quand on a une ambition, on doit pouvoir se prendre en posture d'être quelqu'un qui va pouvoir remplacer. Ou alors, euh, quand il y a des différents, on se rend vite compte qu'on ne peut pas faire, donc on peut remplir notre ambition, donc on démissionne, comme par exemple le cas de Mamadou, exemple en 2013 par exemple. Là aussi on voit bien que, entendu, donc il y avait quelqu'un qui a une ambition, donc au lieu donc de rester partager les postes sur préférait euh, quitter les pouvoirs pour pouvoir euh, se poster comme, candidat. Donc il a une ambition présidentielle, je pense que c'est ça qui manque, n'est-ce pas, Pour au Nassara, nous à mourou Et bien entendu le cas de RDR, Mossman a déjà été président, vous le savez bien. Donc il a encore une autre ambition d'y être de nouveau. Donc il ne veut pas suivre quelqu'un qui va le noyer. Parce qu'une fois qu'il sera au pouvoir, il va pouvoir partager eh, toutes les erreurs, tous les errements qui sont commis, tous les abus, toutes les politiques, eh, y compris mal faites. Donc tout cela, je pense qu'il y a une différence fondamentale entre c'est euh, et vous remercie. vous en prie. C'était là l'analyse du sociopolitologue euh, Docteur Soule relativement au dernier rebondissement de la situation sociopolitique euh, au Niger. L'entrepreneuriat des jeunes, est un des moyens pour euh, la jeunesse de faire face au chômage et de participer au développement euh, du pays. Dans le forum de ce soir, nous partons pour une seconde rediffusion à la découverte euh, d'une innovation faite par un jeune Nigérien. Yakubu Maïga dit Alfari a trouvé un moyen de transformer la tomate en poudre dans une perspective de conservation. Hamadou Moumouni s'est retenu avec lui. Voici ce qui ressort de leur entretien. En 2012, j'avais beaucoup travaillé sur euh, un nouveau système de séchage des aliments qui réunit tous les avantages des autres séchoirs euh, existants et que j'ai pu l'effectuer. Je l'ai nommé le séchoir à charbon minéral puisque ça travaille avec euh, le charbon minéral carbonisé exploité ici au Niger. Votre technique, c'est le séchoir à charbon minéral pour transformer de la tomate fraîche en poudre de tomate. Expliquez-nous. Le séchoir il faut savoir que en dehors euh, de la tomate, euh, le séchoir à minéral est capable de sécher n'importe quel aliment. Donc euh, pourquoi la tomate Parce que j'ai constaté que c'est la tomate constitue une denrée dont la conservation est très difficile. Il est très différent des autres puisque ça contient jusqu'à environ 90% d'eau. Donc arriver à le sécher, c'est ce que la transformer en poudre, constitue quelque chose euh, de vraiment nouveau et puis un défi euh, qui va au-delà des autres aliments. Donc j'ai pu le faire et il faut savoir que au-delà de la tomate, euh, le séchoir peut sécher n'importe quel aliment. Mais la tomate m'intéresse. Vous dites n'importe quel aliment. Quels sont les aliments qui sont concernés par ce séchoir Tous les aliments dont le séchage peut être un moyen de leur conservation, ma machine peut les sécher. Que ce soit les mangues, que ce soit euh, les piments, que ce soit euh, les piments verts, euh, que ce soit les poivrons, que ce soit la pompe de terre ou l'oignon, tous les aliments dont, et la viande aussi, faire du cliché, tous les aliments dont le séchage est un moyen de leur conservation. Ma machine est capable de le faire en moins d'une journée de séchage. Expliquez-nous comment ça se passe votre technique Ma technique, d'une manière générale, euh, consiste euh, à tout simplement à faire euh, pour la tomate le découpage. Après le découpage, l'étalage, c'est-à-dire des, tranches de tomates sur les clés, le séchage avec le séchoir qui travaille avec des tribunes aussi avec des réchauds. Et que, c'est-à-dire à moins de 15 heures, tu as l'aliment bien séché. Vous pouvez soit le conserver comme ça ou bien faire la poudre pour sa commercialisation. Vous avez choisi la tomate à poudre. Qu'est-ce que c'est que cette tomate à poudre la tomate en poudre en tant que telle est vraiment une nouvelle innovation parce que nous avons constaté que eh, ceux qui produisent la tomate concentrée ici au Niger, par exemple les femmes qui le fabriquent, ne peuvent pas concurrencer avec la tomate qui nous provient euh, d'ailleurs, c'est-à-dire la tomate concentrée de la Chine. Pourquoi pas ne pas transformer cette tomate fraîche en poudre qui qui est très nouveau et qui peut toutefois concurrencer la tomate concentrée qui n'est pas trop biologique, mais la tomate poudre est purement et simplement biologique. C'est la raison, c'est-à-dire euh, cette capacité de ne pas concurrencer la tomate euh, concentrée et pourquoi pas la tomate poudre qui peut toutefois le concentrer. C'est la raison de notre intérêt sur la tomate. Oui, mais concrètement, comment, quand vous parlez de d'économie, de prix. Par exemple, euh, la tomate concentrée qui nous provient d'ailleurs euh, est trop chère. Et nous, la raison même pour euh, de l'existence de notre entreprise qui est purement sociale, c'est d'essayer d'acheter, c'est-à-dire les, les productions des producteurs maraîchers qui n'arrivent pas à les écouler sur le marché, dû essentiellement aux méventes et à la surproduction. Nous, les, nous essayons de l'acheter et nous sommes capables cest de le transformer en poudre. Et euh, une poudre que c'est-à-dire nous faisons des petites quantités qui sont raisonnables pour une préparation de 5 à 6 à 7 personnes comme ça. Donc des quantités raisonnables en ce sens où euh, le prix ne dépasse pas tout au plus hein, au niveau de l'unité 40 francs. Donc 40 francs, euh, en regardant le, pouvoir d'achat des Nigériens, c'est assez raisonnable, raisonnable contrairement au concentré d'où que, dire la petite boîte tourne autour de 150 francs. Avec 40 francs, on peut faire une préparation Oui, avec 40 francs, on peut faire une préparation. Nous essayons de travailler directement avec les producteurs là-bas dans leur euh, c'est-à-dire coopérative euh, à ce niveau-là, c'est pas trop cher. Donc pourquoi euh, faire de la charité à notre niveau Combien de sachets, par exemple, vous pouvez produire par jour euh, La quantité que nous produisons par jour peut aller jusqu'à du tomate, c'est-à-dire pour la tomate fraîche, on est capable de transformer jusqu'à 500 kg par jour avec notre petite unité. 500 kg par jour, ce qui fait que par semaine, jusqu'à 1,5 tonnes. Donc la poudre que ça va produire par jour est d'environ 40 à 50 kilos de poudre par jour. Euh, que nous faisons des sachets de 40 grammes, ce qui veut dire que nous produisons jusqu'à 50 000 euh, grammes, donc nous faisons des petits sachets de moins de 15 grammes. Donc ce qui fait que ça euh, voilà, on peut toutefois s'en sortir jusqu'à 000 sachets. Quelles sont, quelles sont les qualités que vous reconnaissez en la tomate en poudre euh, les qualités, pour commencer, c'est parce que c'est biologique. Ça n'a aucune différence avec la tomate concentrée, la tomate euh, fraîche. La deuxième qualité, c'est sa conservation qui dépasse tout, toutes les autres dérivées de tomates qui existent sur nos marchés. Parce que sa conservation peut aller jusqu'à deux ans. Donc, ce qui fait qu'à notre niveau, nous pouvons toutefois faire beaucoup de stocks et les transporter n'importe où. C'est-à-dire au-delà du Niger, et, que ça ne se pourrisse pas, ça garde toute sa qualité qui est là. Donc euh, deux ans, c'est une estimation, ça peut aller au-delà. Hein. Vous avez fait votre invention en, 2013. Qu'est-ce que vous avez fait en termes de production de la tomate à poudre et qui sont les acteurs à qui vous vous adressez pour pouvoir produire 2013, euh, certes, euh, j'ai fait mon invention en 2013, c'est-à-dire euh, la connaissance publique de ce que j'ai créé. Mais l'entreprise, c'est-à-dire ma petite entreprise, monté il y a environ six mois et que j'ai commencé à travailler en tant que tel il y a environ quatre mois et que euh, j'ai commencé ça dans, le quartier à travers des, tests de dégustation. Vous n'avez pas commencé encore à écouler J'ai commencé à écouler, j'ai commencé à avoir euh, des appels euh, de ces grossistes-là pour que ça, ça soit plus étendu. Pas plus étendu, je veux dire au-delà du Niamey, pour que ça soit connu dans les autres régions pourquoi, pas au-delà du Niger, comme j'ai commencé à avoir des appels au-delà du Niger. Les autres acteurs auxquels vous avez affaire, c'est certainement les producteurs. Est-ce que euh, vous vous approchez d'eux et quelle est la coopération qu'il y a entre vous et les producteurs euh, Ma coopération, c'est-à-dire, euh, bon, j'aimerais notifier quelque chose hein, de bien clair. C'est-à-dire, j'ai fait ce que j'ai fait, c'est-à-dire l'innovation jusqu'à euh, la transformation de la, la, tomate en poudre parce que je voulais les aider. J'ai constaté que le produit n'arrive pas à écouler. Donc mon approche consiste à, dire, euh, à voir quels sont les producteurs, c'est-à-dire les coopératives qui produisent toute l'année et qui ont des difficultés, c'est-à-dire de les écouler. Donc euh, cela m'a conduit, c'est-à-dire euh, ceci, disons bien, m'a conduit à voir une coopérative qu'on appelle Chingal qui, qui se trouve vers Saga. On a beaucoup parlé et j'ai commencé, c'est-à-dire euh, à traiter avec eux concernant l'achat et la transformation. Et ils sont assez fiers parce que maintenant ils n'ont plus ces soucis-là de la vente parce que le plus souvent pour les producteurs, c'est pas la production. Vous avez déjà commencé à collaborer oui, oui, nous avons déjà commencé à collaborer avec les réunions, avec les entretiens et un début d'achat. Justement, ça donne de l'air À peu près, vous avez eu à acheter combien de, tonnes J'ai eu à acheter jusqu'à environ 15, 15 euh, tonnes comme ça que j'ai pu transformer en poudre et, que vous avez écoulé sur le marché euh, Oui, oui, j'ai pu. Ça au début, j'ai eu beaucoup de difficultés, j'ai eu beaucoup de pertes, mais finalement, ça j'ai pu euh, comme, euh, vendre une très grande partie de, de, de ce que j'ai eu acheté. Vous avez installé une unité de production comment ça fonctionne Est-ce que vous avez des difficultés liées à cette unité de production Oui, oui, j'ai beaucoup de difficultés. C'est ça même qui a fait à ce que euh, la production s'était un peu arrêtée. Parce que c'est quoi la, le problème que je me suis confronté finalement C'est le problème du conditionnement de, de la production dans des sachets. Je le fais manuellement. En effectuant le conditionnement à la main, en confectionnant, c'est-à-dire les petits sachets à la main, ce qui fait assez que c'est trop pénible. Et que au lieu de travailler tous les jours de la semaine, par exemple du lundi jusqu'à vendredi, je ne peux que faire marcher la machine euh, le lundi seulement. Parce que le lundi, quand je le fais fonctionner, j'arrive à transformer, c'est-à-dire les 5-5 kilos là en poudre. Donc je prends tout le reste de la semaine pour euh, essayer de conditionner, c'est-à-dire euh, la poudre là dans des petits sachets. Et en payant, c'est-à-dire mes, mes travailleurs, les employés, ce qui fait que, c'est-à-dire tout le bénéfice que je dois avoir, euh, finira dans les petits paiements là par jour et dans ma prise en charge et ce qui fait que c'est trop pénible. Donc je suis même présentement à la recherche d'une sacheuse Je suis, je suis en train de faire tout, même si avoir un crédit pour le faire parce que je crois à ce que j'ai fait et je l'ai toujours démontré. Comment votre invention a été accueillie euh, dans le monde de la recherche Ça a été bien accueilli parce que euh, j'ai été décoré comme étant le meilleur jeune inventeur du Niger j'ai eu une médaille d'or de l'OMP, l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. Euh, Qui vous a décoré euh, C'était le salon, c'était en 2013, fin 2013, euh, le salon de la créativité, de l'innovation et de l'invention. ce salon a été organisé par l'OMP, par l'OMP, l'OAPI, certains ministères comme le ministère des Mines et de l'Industrie, euh, aussi par nos réseaux des inventeurs. Ensemble, ils ont fait ces salons. Euh, ce salon a réuni pas mal d'inventeurs du Niger. Ils n'ont retenu que 30 pour l'exposition. J'étais parmi les 30 là. Et parmi les 30 ans, ils n'ont retenu que 3. Et j'étais parmi les 3 là. Et j'avais eu, ça à dire environ 3 reconnaissances, euh, qui est le prix du meilleur jeune inventeur du Niger et le prix du professeur Abdou Moumouni, aussi une médaille d'or de l'OMPI. Avec toutes ces reconnaissances, euh, on peut dire que vous êtes lancé au niveau national, mais aussi au niveau international, n'est-ce pas On peut le dire, mais ce n'est pas le cas. Vous connaissez le Niger. Au Niger, il y a toujours eu ces problèmes. Tu fais quelque chose d'honorable, on te voit bien engagé, que tu veux faire avancer les choses, mais parce que ce que tu fais là n'a rien à voir avec la politique, personne ne te regarde. Et que ça aussi, c'est une leçon. J'avais traîné pendant les bureaux et dans les administrations des va-et-vient pendant pas moins de deux ans avant d'avoir ce concours-là. Donc, euh, je connais notre administration. Je ne crois pas tellement à ce qu'ils nous font. Hein. Vous avez eu des contacts à l'extérieur. Vous avez espoir que ça va marcher C'est une réalité que ça, va marcher. Mais moi, j'ai toujours dit, ce que j'effectue là, je l'effectue pour le Niger avant tout. Je ne vais pas voir ailleurs, on fait la poudre et on l'amène ici, on nous, l'achetons. J'aimerais voir, parce que au Niger que ça a commencé, j'aimerais voir le Niger réussir dans ça. Mais ailleurs, on me contacte. J'avais eu beaucoup de contacts du Bénin, du Burkina, du Togo, du Sénégal même. Le Sénégal, eux, ils ont prêt, à tout non seulement avoir la machine, mais aussi avoir la technologie de la fabrication de la tomate. Parce que c'est pas uniquement sécher la tomate qui effectue sa poudre. C'est-à-dire il y a un processus qui est là, qui a besoin d'être breveté aussi concernant la fabrication de la poudre. Eux aussi, ils le veulent. Ils veulent, cette technologie. Et ils sont capables, ils sont prêts à mettre le prix. Donc vous allez beaucoup plus compter à, l'extérieur qu'à l'intérieur. Oh, oui, finalement, si on ne fait pas attention, si ça, ça la l'attention. Monsieur Yacouba, merci et bon courage. Merci beaucoup à vous aussi. C'était là Yakub Mega dit Alfari, jeune entrepreneur nigérien qui a pu trouver un moyen pour pouvoir sécher certains produits tels que la tomate ou encore de la viande. dernier aspect de ce forum, euh, toujours euh, en seconde, diffusion, voyons à présent la prévalence de la malnutrition aiguë globale qui continue d'osciller autour euh, de 15% au Niger, correspondant au seuil d'urgence fixé par l'Organisation mondiale de la santé, précise le Bureau des affaires humanitaires de l'ONU au Tchad à Niamey. Les régions du Zander, Maradi, Difa et Dosso sont les plus touchées Selon Selon Dr mamansani Sani, médecin nutritionniste, plus de 40% des enfants de moins de 5 ans au Niger sont atteints de la malnutrition chronique euh, dont les conséquences sont irréversibles. Euh, qu'est-ce que c'est que la malnutrition Comment euh, la détecte-t-on Et comment se fait sa prise en charge Autant de questions que Diallo Maria Makenda a posées à Dr mamansani Sani, médecin nutritionniste au district sanitaire Niamey. mais En fait, euh, la malnutrition, c'est comme vous l'avez dit, une maladie. Une maladie dit à une carence ou même à un accès. Ça peut être une carence euh, de nutriments, en fait, c'est-à-dire des éléments qui constituent l'alimentation. Ça peut être des macronutriments. Quand on parle de macronutriments, c'est comme les protéines, les lipides, les glucides, tout comme les micronutriments, c'est-à-dire les vitamines et les minéraux, les oligo-éléments. Ça, c'est ça, effectivement, la malnutrition carentielle. Donc, donc ce qu'on appelle la sous-nutrition. Il y a aussi l'autre forme de malnutrition, il y a un excès d'apport en énergie, c'est-à-dire euh, la surnutrition. C'est le cas de l'obésité, c'est aussi une malnutrition. Ici au Niger, quel type de malnutrition retrouve-t-on en général Au Niger, euh, le type de malnutrition le plus fréquent, c'est surtout la malnutrition carentielle surtout chez les enfants de moins de 5 ans. C'est elle qui est préoccupante depuis pratiquement un certain nombre d'années. Je dirais depuis pratiquement 2005, elle est devenue un fléau, un véritable problème de santé publique et même un problème de développement, en tout cas au Niger. Donc euh, quand vous prenez pratiquement dans beaucoup de régions, pratiquement dans tous les pays même, le taux de la malnutrition est effectivement aigu, surtout sévère et modéré. Donc je voulais dire la forme globale, en tout cas est inquiétante, en tout cas chez les enfants de 0 à 5 ans. On peut avoir une idée du taux de la prévalence de la malnutrition Depuis pratiquement 2005, ou dû à la crise, n'est-ce pas, à cette euh, catastrophe qu'il y a eu humanitaire, et depuis lors, pratiquement, le taux de la malnutrition n'a pas véritablement chuté. C'est toujours autour, n'est-ce pas, des seuils d'alerte où ça dépasse même les seuils d'urgence définis par l'OMS. Quand on prend par exemple la malnutrition aiguë sévère, l'OMS dit que, que la prévalence de la malnutrition aiguë sévère franchit, n'est-ce pas, le seuil de 2%, alors la situation est considérée comme une urgence. Et au Niger, actuellement, nous avons des zones où la prévalence de la malnutrition aiguë sévère est à plus de 6%. Je veux dire 6,7%. Quand vous prenez la région des maladies, la prévalence de la malnutrition aiguë sévère est à 6,7% pour 2% comme c'est d'urgence définie par l'OMS. Je prends la, malnutrition aiguë globale, c'est-à-dire la forme modérée et la forme, la forme sévère associée. À ce niveau, l'OMS définit le seuil d'alerte. Dès qu'on a franchi les seuil dès qu'on atteint le seuil de 10%, alors là, il y a alerte selon l'OMS. Et dès qu'on atteint le seuil de 15%, il y a une urgence. Et au Niger, actuellement, le taux global pour tous les pays, nous sommes à 15%. Alors tous les pays est en urgence en matière, effectivement, de la malnutrition, n'est-ce pas, chez les enfants de moins de 5 ans. C'est pas seulement cet aspect de la malnutrition aiguë globale. Il y a l'autre forme de malnutrition, n'est-ce pas, qui pose sérieusement des problèmes, surtout de développement. C'est la malnutrition chronique. Elle, la malnutrition chronique, sa proportion est aussi inquiétante parce que plus de 40% des enfants de moins de 5 ans sont atteints de la malnutrition chronique. Et les conséquences de la malnutrition chronique, c'est des conséquences qui sont irréversibles sur l'enfant. Un enfant atteint de la malnutrition chronique peut avoir des troubles d'apprentissage. C'est des enfants pratiquement qui vont avoir de sérieux problèmes parce que c'est surtout dit au problème d'apport à micronutriments, à vitamines. Il y a beaucoup de carences en micronutriments, surtout en oligo et en vitamines et ces, carences-là sont pratiquement irréversibles. Ces genres des enfants auront du mal à grandir, auront des problèmes d'apprentissage dans l'avenir même s'ils vont devenir grands et peut-être développement d'autres maladies dit évidemment à cette malnutrition qu'ils ont développée à leur enfance. C'était la docteure Maman médecin nutritionniste au district sanitaire Niamey 1 relativement à la prévalence de la malnutrition au Niger. Et nous sommes au terme de ce forum du studio Kalangou. Merci à vous de l'avoir suivi et merci de votre fidélité au programme du studio Kalangou. Au revoir.